le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum 18h euh, passé de 15 minutes. Euh, messieurs, dames, euh, bonsoir et merci d'être à l'écoute du studio Kalangou. Cette page horaire est consacrée au forum du studio Kalangou, un espace d'échange avec la population et les spécialistes pour apporter des réponses aux préoccupations des auditeurs sur les questions d'actualité ou de société qu'ils se posent euh, régulièrement. Les programmes du studio Kalangu sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et Enfani FM 100. Vous pouvez aussi nous suivre à travers euh, le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux de région. Nous sommes aussi présents à Alit, Filengue, Birningaure, Chirozérine, Magaria, Menosoroa, Tamaské, Bouza, Dolbel et Et enfin, vous pouvez nous suivre en direct en streaming sur le site web du studio www.studiokalangu.org Bonsoir à tous. Euh, le Niger dans 20 ans, c'est le thème du forum dont nous allons en débattre euh, ce soir euh, depuis au moins une décennie. On constate une récurrence de grèves dans le secteur de l'éducation, autant au niveau des élèves et étudiants qu'au niveau des enseignants. Alors, on s'interroge quant à l'avenir de notre éducation et par la même occasion celui de notre pays dans les années à venir, dans les 20 ans prochains, par exemple. En premier lieu, nous allons aborder les principales questions que tout le monde se pose, à savoir euh, les conséquences, mais aussi comment éviter le pire pour l'éducation nigérienne. Ensuite, euh, nous parlerons des impacts euh, que ces perturbations pourraient avoir sur les autres secteurs et sur le pays entier. Autant de questions que l'on se pose et dont nous allons tenter de trouver des solutions avec nos invités. Monsieur Kabir Boubakar Issa, il est administrateur de la division des études sur la pauvreté et le développement durable à l'Institut national de la statistique à Niamey. Bonsoir. Bonsoir. Aussi présent avec nous, Monsieur Ali Bako, chercheur du laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local, l'ASDEL. Bonsoir. Bonsoir. Ce forum vous est présenté par Rahila Toussoumana. Je le disais tantôt, l'éducation du Niger est constamment en crise. Euh, tout d'abord, euh, je vous propose de suivre euh, Dr Munkaila Lassanda. Il est enseignant-chercheur à l'université Abdoumouni de Niamey qui, selon lui, je cite, tous ces problèmes qui affectent le secteur éducatif de notre pays restent le manque d'une politique éducative hardie susceptible d'inverser la tendance puisque l'éducation est la base de tout. Je vous propose de l'écouter. C'est l'éducation qui gouverne tout le reste, en particulier la politique de la formation des cadres, leur niveau, leurs compétences, leurs performances dans les différents domaines, c'est-à-dire leur engagement même à servir la patrie. Évidemment, les élèves et les étudiants qui n'ont pas le niveau sont victimes d'un système qui, pendant longtemps, a préféré donner la priorité à l'accès plutôt que sur la qualité. On se rappelle déjà des passages automatiques, des doubles flux et souvent même des recrutements des maîtres sans formation, des contacteurs sans vocation. Alors, ces maîtres sont censés former à leur tour des élèves qui, forcément, auront tout au plus le niveau de leurs enseignants, peut-être même moins. Cela vient avec leur tard au collège, puis au lycée, et puis à l'université, et puis plus tard, c'est des cadres qui sont versés dans l'administration avec les mêmes tards. C'est qu'à l'école, plus ceux qui sont incompétents sont nombreux, plus ça tire vers le bas. Finalement, ça se ressent au niveau du niveau de la classe, et puis, le niveau de la classe entraîne le niveau de l'école, ainsi de suite. Il y a des élèves qui ne savent même pas lire et écrire correctement étant au collège et qui arrivent jusqu'au BEPC. Et puis, à cela s'ajoute la fraude aux examens et aux concours. À un moment donné, le brevet avait son prix, le bac avait son prix, c'est pour ne citer que cela. Et donc, l'un dans l'autre, vous avez des élèves et des étudiants qui progressent et qui n'ont pas le niveau. Comparativement aux années antérieures, quel est votre avis euh, par rapport à cela si je prends juste ce que je connais, puisque moi j'ai vécu une période où l'école euh, était en chantier, mais l'enseignement était en tout cas acceptable. Mais à l'époque, ceux d'entre nous qui allaient dans le privé, c'était les gens qui étaient exclus du public. Donc euh, c'était même difficile parce que c'était mal vu. Aujourd'hui, vous avez des parents qui payent un lourd sacrifice de leurs revenus pour que leurs enfants aillent dans le privé, parce qu'on estime qu'au moins là-bas, il y a une formation garantie. C'est dû au fait que les gens sont conscients que les responsables délaissent l'école publique de plus en plus. Et donc, quand on arrive à une situation où il n'y a pas plus grave que plus grave, euh, la transformation en quelque chose de qualitatif s'impose forcément, quelle que soit la voie à suivre pour y arriver. Ma conviction est que les années à venir vont voir la fin de ce calvaire et le début d'une ère nouvelle pour l'école nigérienne. Vous venez là d'entendre euh, les propos du docteur Munkaila Sanda, enseignant-chercheur à l'université du Niamey. Monsieur Bako, vous avez suivi la réponse de Monsieur Munkaila. Selon vous, euh, quelles pourraient être les conséquences de ces débrayages sur la qualité de l'éducation et surtout serait-il possible de l'améliorer Merci de, au studio Kalangou de m'avoir donné l'opportunité d'apporter ma modeste contribution à, ce gros débat sur l'éducation qui, qui, anime eh, la scène politique, mais aussi les scènes, la scène associative ici au Niger. On sait que sur le plan politique, euh, l'éducation est au centre des débats depuis quelques jours, et aussi sur le point, sur le plan associatif avec euh, vraiment la levée des boucliers de nombreux syndicats de l'éducation euh, qui réclament de meilleures conditions de travail, mais aussi d'autres avantages pécuniaires ou, liés à leur euh, activité. Bon, euh, le collègue de, l'université a, tout dit. Hein. Bon, on ne va pas revenir sur, la situation déplorable de l'éducation au, Niger. C'est une conjugaison de, plusieurs facteurs, on le sait. Hein. Il a parlé de la formation, donc qui dit formation, dit formation initiale, c'est-à-dire les, formations dans les écoles normales, mais aussi à, euh, la formation continue à travers notamment les visites des classes, les CAPED, et d'autres formations que, les, enseignants doivent suivre pour, être mieux outillés à transmettre le savoir. Mais eh, ce n'est pas seulement du côté des enseignants, mais il y a aussi du, côté des élèves. Il a, un peu ébauché cette multitude de réformes qui sont souvent incohérentes et qui, et qui pour conséquence la baisse de niveau. Donc c'est vrai que c'est sur toute la chaîne hein, et, et, c'est pas inhérent à cette période-là. Quoi. C'est, ce n'est qu'un aboutissement d'un processus qui a commencé, à mon avis, depuis les années 80 hein, avec le, PASS où on a assisté à, au départ volontaire des, des enseignants. Euh, de certains enseignants les plus expérimentés, mais il y a aussi d'autres hum, décisions de l'État, comme hum, au temps du président Barré, où il y a eu euh, le, départ à la retraite des, enseignants qui ont plus de 30 ans de service. C'est quand même un, un pan important d'enseignants de qualité qui, qui, est parti à la retraite et qui a été remplacé dans les années qui ont suivi par d'abord les, les, les volontaires et ensuite les, les, les, contractuels. Et on sait que la provenance de, cette catégorie d'enseignants, on sait que c'est du tout venant et souvent ils sont à l'enseignement faute de mieux. Et, une grande partie d'entre eux n'ont pas, de, pas reçu de formation initiale, encore moins ne bénéficient de, formation continue. Bref, c'est un processus qui nous a amené à cet état actuel de, la situation. Parce que euh, euh, il y, a, y a une prise de conscience une prise de conscience de la part des, parents d'élèves, de la part des, autorités, parce qu'on se rappelle du, discours euh, électrique du, ministre de l'Éducation euh, en février qui a suscité un lever de bouclier chez les enseignants, où il a euh, durable, durement attaqué les, les, enseignants en disant que beaucoup d'entre eux euh, n'avaient pas le niveau requis. c'est vrai, même si la communication est peut-être à déplorer, mais c'est une situation qui a été euh, vérifiée par nous, à notre niveau, par nos enquêtes au niveau de la STEL. Comme je l'ai dit, il y, a, une prise de conscience. Maintenant, l'éducation est au centre des débats. Je pense qu'il y a des réformes qui seront prises, notamment avec les les engagements du, nouveau ministre. Mais il est évident qu'on ne va pas renverser la tendance en deux jours. C'est la conséquence d'un processus de, de, plus de 20 ans. Et je suis sûr que euh, pour redresser la barre, en tout cas, peut-être nos enfants. Mais euh, le plus important, c'est de commencer des réformes utiles, adaptées au, contexte nigérien, qui permettront de redresser la barre. L'école, c'est très important parce que c'est l'école qui façonne et qui fabrique le citoyen de demain. Et, si on, on forme des citoyens au rabais, forcément, on aura des, conséquences sur tous les secteurs d'activité. Parce que, comme je l'ai dit, l'école, c'est elle qui forme le citoyen, c'est elle qui va former le banquier, c'est elle qui va former le juriste, c'est elle qui va former l'économiste. Donc, c'est un secteur très, très important et qui mérite vraiment qu'il y ait une concertation inclusive euh, moi, je suis un peu déçu par, la manière dont les différents acteurs traitent cette situation. Quand je vois d'un camp euh, le gouvernement qui essaie d'accuser les enseignants, de l'autre côté les enseignants qui disent que non, que bon, le gouvernement aussi est fautif. Bon, dans tous les cas, de deux côtés, il y a des problèmes euh, le gouvernement dans la prise de, de, l'adoption des réformes, dans le recrutement des enseignants, dans la formation, parce que c'est la responsabilité de l'État de former des bons enseignants. Les enseignants dans, dans tout ce qu'il y a autour de, de l'activité, les fraudes, l'absentéisme, la politique, tout ça, ce sont des, qui, des, mots qui gangrènent euh, l'éducation au Niger. Donc, je pense que notre salut, il réside dans une concertation inclusive de tous les partenaires, l'État, les syndicats, les parents d'élèves, pour adopter des réformes, je le dis bien, adaptées au contexte nigérien et qui peuvent nous permettre de redéfinir notre système éducatif et d'essayer de rattraper le retard pris par rapport à, à d'autres pays, notamment les pays anglophones. À vous, M. Boubacar, comment pensez-vous qu'on peut éviter le pire pour notre euh, éducation Merci quand même de m'avoir invité pour euh, participer à ce forum qui dont l'objectif est d'essayer d'apporter un certain nombre d'éclaircissements à la population par rapport, si vous voulez, à cette situation de l'éducation qui constitue un véritable casse-tête pour beaucoup des régimes qui sont succédés dans ces pays. Bon, j'ai écouté la réponse de, l'enseignant chercheur et je pense qu'effectivement, comme l'a dit mon collègue qui est en face de moi, il a effectivement raison. Moi, je peux dire qu'au Niger, le niveau a tellement baissé qu'il n'a plus même de niveau. Donc, tel qu'il a dit, on ne peut pas aller au-dessous de ce qu'on vit actuellement. On ne peut qu'essayer, si vous voulez, de remonter. Alors, quelle solution peut-on apporter à cela C'est-à-dire, la plus la, meilleure solution, si vous voulez, à cette situation, c'est d'essayer, si vous voulez, de s'entendre. Que ce soit du côté du gouvernement, du côté des enseignants, du côté des parents d'élèves, des acteurs de la société civile qui interviennent dans ce domaine, il faut qu'on essaye, si vous voulez, ensemble, de s'asseoir pour essayer d'avoir une vision commune. Parce que beaucoup de jeunes ne le savent pas, si vous voulez, la connaissance est la seule chose qui se développe quand à leur partage. Donc, euh, je pense qu'il faut essayer, si vous voulez, de revoir, si vous voulez, quelle est la véritable source de ce problème de l'éducation au Niger. Vous savez, c'est un, couteau à double tranchant. Il ne suffit pas d'accuser l'une des, parties et laisser d'autres. Et tel que M. l'enseignant-chercheur l'a dit, moi, en tant qu'agent de l'INS, j'ai participé à plusieurs collectes de données relatives, si vous voulez, à l'éducation. Et j'avais effectivement découvert qu'au Niger, il y a un véritable problème. Et en d'octobre à décembre 2015, j'avais, si vous voulez, supervisé la collecte de données sur l'éducation, une collecte qui a été financée par la Banque mondiale au Niger, où, si vous voulez, l'objectif, c'est d'évaluer le système éducatif du Niger. Donc, ah, j'ai fait le tour, j'ai vraiment constaté que dans ce, dans ce pays, il, a vraiment, il y a un véritable problème qui se pose, surtout en matière d'éducation, que ce soit du côté des enseignants, du côté des élèves et des parents d'élèves. Donc, euh, je pense que l'État et ainsi que les autres doivent essayer, si vous voulez, de s'asseoir pour faire en sorte que l'intérêt national prime. Puisque, même moi, actuellement, l'année passée, suite à cette enquête que j'ai faite, j'avais rédigé un document où j'ai fait un modèle pour essayer de voir quel est l'impact des infrastructures sur la scolarisation au Niger. Et l'étude que j'avais fait, le modèle économétrique, que j'avais fait, a démontré qu'au Niger, quand le nombre de classes augmente, on a le taux brut de scolarisation qui augmente. Donc, ça veut dire quelque part, les infrastructures, l'effort de l'État, si vous voulez, et incite les parents, si vous voulez, à, à inscrire les enfants à l'école. Donc, du coup, je pense qu'il faut, puisque l'État, c'est le père de la nation, c'est à lui, si vous voulez, d'essayer et de sensibiliser. Vous savez, au Niger est un pays où on a, on a une population à 80% qui vit dans le monde rural. Donc, qui dit monde rural dit quelque part manque d'informations. Qui dit manque d'informations, et si vous voulez, peut entre guillemets parler de manque de l'éducation. Alors, je pense que vraiment, il est temps que ça change dans ce pays, surtout par rapport à l'éducation. Il suffit de faire un tour dans la sous-région on verra bien que vraiment au Niger, en matière d'éducation, ça ne va pas. Il faut qu'on essaie, si vous voulez, de, trouver une solution dans ce domaine afin de faire en sorte vraiment que le Niger puisse un peu se relever et être dans le rang des nations qui sont, si vous voulez, vers cette marche de Niger 2020 que les autorités sont en train de vouloir atteindre. Et donc, euh, quand vous avez fait euh, votre enquête euh, en 2015, vous avez parlé de d'évaluation. Qu'est-ce que vous avez trouvé sur place Bon, pour le moment, les résultats de l'enquête ne sont pas encore publiés, mais tel que je vous l'ai dit, j'avais constaté, puisqu'on a fait une petite évaluation, on a constaté pas mal de choses, donc euh, du côté des élèves comme du côté des enseignants. Maintenant, pour le moment, je ne peux pas me prononcer puisque le résultat de l'enquête n'est pas encore publié et quand ça sera disponible, donc le grand public pourra faire, si vous voulez, pourra voir ce qu'on a constaté lors de la collecte des données. Et donc, euh, vous avez trouvé euh, des infrastructures euh, qui sont là, mais est-ce qu'il y a les enseignants qui étaient présents aussi Oui, on a, trouvé des infrastructures qui étaient là, on a trouvé des enseignants qui sont là aussi. Mais moi, je parle par rapport, si vous voulez, au niveau des élèves et des enseignants. C'est de ça, moi, je parle. Mais les, infrastructures, bien sûr, en tout cas, les zones où j'ai supervisé, les infrastructures sont belles et bien là, les enseignants sont belles et bien là, les élèves sont belles et bien là. D'accord. Monsieur Bako, je me retourne vers vous. Euh, ces derniers temps, les contractuels, c'est eux qu'on trouve les plus euh, sur le terrain. Ils ont presque phagocyté les, enseignants titulaires. Est-ce que vous approuvez euh, l'idée des autorités pour évaluer ces enseignants oui, parfaitement, parfaitement, parfaitement, parce que euh, on ne peut, on, ne peut pas évaluer, on ne peut pas savoir si on avance, si on n'évalue pas. C'est clair. Euh, moi, moi je, suis, pour qu'on évalue, mais c'est dans l'ordre normal des choses. Hein. C'est pas, c'est pas nouveau. Euh, je pense, bon, je, l'ai dit tantôt, peut-être c'est dans la communication que ça a été souvent mal interprété ou mal dit. Mais sinon, l'évaluation des maîtres, moi, ça fait ça fait dix ans que je travaille euh, sur l'éducation et, je côtoyais des, des, des, des grands professeurs qui ont travaillé sur l'éducation, euh, notamment le professeur Tijani Alou. Mais mais c'est clair que dans, l'enseignement, dans, dans l'activité quotidienne des enseignants, il y a l'évaluation. Il y a les conseillers pédagogiques qui font les visites des classes, qui évaluent les maîtres, il y a les inspecteurs. Et chaque maître est évalué. Normalement, c'est dans l'ordre normal des choses. Mais là, c'est un peu différent. il oui, les mettre justement, là, euh, là, justement, je, dit, c'est peut-être la communication qui a été, euh, c'est vrai que, euh, qui a mal passé ou qui a été mal dite, c'est ce que je dis. Bien sûr que bien sûr qu'il y a des contractuels qui n'ont pas le niveau. Mais d'un côté, c'est ces mêmes personnes qui les ont recrutées qui, voient que maintenant, ça va pas. Oui, c'est justement, c'est justement là où je voulais en venir, madame. Parce que, effectivement, je l'ai dit tantôt, la faute n'incombe pas euh, entièrement à ces contracteurs parce qu'ils ne s'auto-recrutent pas, quoi. Ils s'auto-recrutent pas ils ont été forcément recrutés par une instance, que ce soit au niveau régional ou au niveau national qui, a jugé, qui les a jugés aptes à exercer ce métier d'enseignant. À partir de ce moment où, du moment où ils ont été recrutés, il y a quand même en amont euh, des erreurs qui ont été commises euh, dans le recrutement. Donc ça, c'est au gouvernement, s'il veut vraiment euh, apporter toute la lumière nécessaire sur le recrutement des certains contractuels, et sur toutes les, combines, les les arrangements, les faveurs qui se font au niveau de ce On le sait. On le sait, c'est pas nouveau, hein. Bon, tout le monde le sait. Dans toutes les fadas à Katakou, tout le monde sait qu'il y a des, il y a des, y a des faveurs, il y a des, il y a des combines dans le recrutement des, des, contractuels. Tout le monde le sait. le ministre ne l'a fait que que, que, que, le rendre officiel. Mais sinon, tout le monde le sait. Donc, comme l'a dit mon collègue de l'INES, tout dépend de la volonté de, l'État à vouloir véritablement réformer l'éducation. Et, la réforme, la première réforme passe par l'assainissement. Il faut assainir quand même euh, euh, ce, côté d'enseignant. Savoir qui peut enseigner, qui ne peut pas enseigner. C'est la première des choses. On, on, a beau faire des réformes, si même ceux qui sont censés appliquer les réformes euh, sur les curricula, par exemple, ne savent pas ne connaissent pas ces réformes. Comment ils peuvent l'enseigner à, des enfants C'est impossible. Le problème est là. Je pense que vous avez bien fait d'orienter le débat vers les solutions que, que, que sur l'étalage de, tous les nœuds critiques qu'il y a autour de l'éducation. Il y en a tellement. Il y en a tellement, mais il faut qu'on les attaque. Je pense qu'il des, y a des efforts qui sont en train d'être faits. Par exemple, euh, moi, euh, on a mené une enquête euh, qui est justement notamment en cours, hein. elle, est, encore en, cours, dans la région de Kolo et Anyame, où les données de, notre enquête nous ont montré qu'il y a eu la présence de la Alcia à Kolo, par exemple, lors des examens de bac 2015-2016, où il y avait de forts cas de, fraude. La Alcia avait intervenu. Et aussi, la Alcia a intervenu dans le cadre des doublons là où euh, un seul contractuel est, payé plusieurs fois selon la région. Là, Alcia a, travaillé là-dessus, a mené des enquêtes et a sorti un rapport qu'ils ont soumis au, ministère. il y a eu des, actions qui ont été contestées par les syndicats. tout ça, c'est des ébauches d'actions. Mais je pense qu'il faut que ça soit holistique il faut que ça soit vraiment euh, de manière générale, vraiment s'asseoir, euh, si possible même faire euh, des états généraux de l'éducation. Vous comprenez Pour qu'on mette tout sur la table avec les différents acteurs et qu'on puisse avoir un nouveau départ. Parce que là, les bases sont carrément faussées. Que ce soit au niveau du recrutement des, des, qui constitue plus de 80% du corps enseignant. L'État et euh, depuis, je crois que c'est depuis le, régime Tanja, il y a des efforts qui sont en train d'être faits pour recruter euh, à la fonction publique euh, des, contractuels. Mais j'ai discuté avec un, syndicaliste qui m'a dit que l'État, je crois que l'État a promis de recruter 8000. Il n'a recruté que, que 4000, hein, un peu moins de 4000. Donc ils sont insatisfaits. Mais bon, je pense que le recrutement direct, ce n'est pas la solution pour le moment. La solution pour le moment, c'est d'assainir le corps enseignant et de, former des, gens qui peuvent véritablement transmettre le savoir à, à nos enfants. Je vous remercie, M. Bako. Nous allons marquer une pause, euh, le temps de revenir pour la seconde partie. deuxième partie de ce forum du studio Kalangu qui a pour thème euh, le Niger dans 20 ans. Selon le programme de développement des Nations Unies, le plus de, depuis 1980, euh, le Niger faisait partie de la queue du peloton avec euh, un indice de 0,18. En 2016, 36 ans après, l'IDH a évolué et est à 0,35, soit la 187e place euh, sur 188 euh, pays classés en 2016. Monsieur Boubacar, euh, vous qui êtes statisticien, si jamais ces perturbations continuent dans le secteur éducatif, serait-il possible de remonter dans le classement de l'indice de développement humain, tout en sachant que les niveaux de l'éducation comptent parmi les critères pour calculer cet indice-là Ok, merci. bon, franchement, je pense que je ne dis pas que ça ne sera pas possible. Puisque vous savez, l'indice de développement humain est calculé sur la base de trois dimensions. Nous avons, bon, là, nous avons côté santé qui, tient compte de l'assurance de vie à la naissance. Nous avons, si vous voulez, le niveau de vie qui est couramment appelé la dimension économique qui tient compte du revenu national brut par habitant et enfin, nous avons, si vous voulez, la dimension, si vous voulez, éducation, qui a deux sous-indices. Deux sous -indices. Nous avons la durée moyenne attendue de scolarisation et la durée attendue de scolarisation. Donc, quand on regarde GDH du Niger constamment, c'est l'éducation qui plombe le plus le Niger en dernière position. C'est le seul côté où le Niger est vraiment au bas de l'échelle. Puisque quand vous prenez la durée moyenne de scolarisation, le Niger ne dépasse que le Burkina Faso. Donc, euh, au niveau de la durée attendue de scolarisation, on ne dépasse que l'Érythrée. L'Érythrée est Soudan du Sud, puisque le du Sud, c'est un nouveau État. C'est maintenant que, que, les Nations Unies ont commencé à intégrer, euh, si vous voulez, ces pays dans les calculs de DIH. Donc, nous avons la dimension revenu. Revenu par tête tient compte de l'économie. Alors, comme vous le savez, le Niger est un pays extrêmement riche le problème qui peut se poser peut-être, c'est par rapport à la gestion de l'État. Donc, là aussi, je pense que on peut, avec euh, la volonté des autorités qui vont se succéder à l'avenir, essayer de faire en sorte, si vous voulez, que ce revenu national brut à 8 ans augmente. Qu'elle augmente plus, plus que c'est plus proportionnellement que la population qui augmente de façon géométrique. Vous savez, on a un taux de croissance de population qui est l'un des plus élevés, pour ne pas dire le plus élevé au monde. Donc parfois, elle, du côté de l'économie, on a une économie parfois qui augmente et parfois qui baisse. Parfois, le taux de croissance de, l'économie est négatif. Donc, à ce niveau, je pense que si on peut mener, si vous voulez, une politique, si vous voulez, tendant à rehausser d'une manière vraiment euh, un peu exceptionnelle, si vous voulez, le revenu national brut habitant, ça peut rehausser le du Niger puisque en termes de revenus, on dépasse beaucoup de pays. On a Mozambique, il y a le Libéria, la Centrafrique, il y a la RSE Congo. Par rapport aux revenus par tête, on dépasse ces pays. Maintenant, au niveau de la santé, c'est le côté où le Niger a plus fait du progrès. Puisque dans la sous-région, seul le Sénégal dépasse le Niger en termes de l'espérance de vie à la naissance. Donc, euh, le Niger, un Ivoirien vit 10 ans de moins qu'un Nigérien, selon le calcul des Nations Unies. Ce qui est déjà une bonne chose. Mais le problème, c'est du côté de l'éducation. Et c'est là qu'il faut vraiment faire un travail énorme. Là où, là où on devrait plus se donner, c'est l'éducation. Parce que beaucoup de gens ne savent pas, l'éducation a une influence très élevée sur les deux autres dimensions. Si on a des médecins qui sont bien formés, si on a des, des, des, des enfants qui sont scolarisés, si on a des bons économistes. C'est seulement à, partir de ça que les autres, euh, si vous voulez, sous-dimensions peuvent se développer. Peuvent se développer. Donc, je pense que on peut, on peut. Je, ne peux pas dire que c'est possible, mais c'est difficile. C'est difficile de changer, si vous voulez, la position du Niger tant que le Niger n'a pas changé de politique vis-à-vis -vis de l'éducation, puisque c'est elle qui est à la base de tout. C'est l'éducation qui est à la base de tout. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis c'est difficile. Vraiment, il faut qu'on essaie de voir comment essayer, si vous voulez, d'améliorer, si vous voulez, le niveau éducatif des Nigériens. C'est un problème sérieux et très sérieux que l'État vraiment devrait essayer de prendre en compte dans ses différentes politiques. Le revenu, il suffit de faire une bonne campagne agricole, une année. Il suffit que, bon, et puis derrière même, ça, si vous voulez, le côté économique là, c'est des trucs qu'on ne maîtrise pas. Aujourd'hui, quelque part, si le Niger souffre de problèmes économiques, c'est parce qu'il y a une baisse des matières premières, prix des matières premières à l'international. Ça veut dire que le Niger, c'est un pays preneur de prix et, un pays, non un pays faiseur de prix. C'est un pays presque taker. Ça veut dire que l'économie nigérienne n'est pas habilitée, si vous voulez, à influencer le prix au niveau international. Du coup, si on dit que on va essayer, si vous voulez, de changer la position du Niger en se basant sur l'économie et la santé, là, c'est un véritable problème. Moi, je pense que la meilleure façon, si vous voulez, de changer cette position du Niger, c'est d'essayer, si vous voulez, et d'améliorer le niveau, si vous voulez, d'éducation des Nigériens. Faire en sorte que les Nigériens durent le plus à l'école. Puisque un Nigérien inscrit à l'école aujourd'hui fait 1,7 mois. Un an, un an et 7 mois en moyenne. Un Nigérien âgé de 25 ans à plus a effectuer un séjour de 1,7 ans en moyenne dans un, établissement scolaire. Du coup, c'est un véritable problème pour ce pays. Donc je pense qu'il faut essayer, si vous voulez, de revoir. Puisque tant qu'on n'a pas essayé, si vous voulez, de changer cette situation de l'éducation, il est vraiment très difficile, pour ne pas dire impossible, que le Niger change sa position dans le classement de l'IDH. Votre avis sur la question, M. Bako euh, c'est assez, assez édifiant avec les chiffres de, de mon collègue de, de, de l'INES par rapport à la situation du Niger. Si on est arrivé à faire des, des, des grands pas, des grands progrès dans le domaine de la, la santé, c'est quand même euh, parce qu'on a on, a, on a, adopté des politiques tendant vraiment à, à, à hisser ces, nos taux vers le, vers le haut. Malheureusement, de, l'éducation, nous sommes, les derniers. Bon, les chiffres sont là, ils parlent. il y a des engagements politiques. Je me rappelle du, discours de l'investiture du, président Issoufou quand il s'est engagé à, la gratuité de l'école jusqu'à 16 ans. Bon, c'est un discours. Mais, dans la pratique, qu'est-ce qui a été fait depuis 2011 en termes d'éducation on a remarqué que les régimes qui se sont succédés se sont, se sont plus euh, concentrés, ils ont plus misé sur le chiffre. Ils ont plus misé sur le chiffre. Et chaque régime s'est prévaut de, tel nombre de classes construites, de, tel nombre d'engageants. Je me rappelle au temps du président Tanja, de 10 000 classes, 1000 euh, enseignants, 1000 ceci, 1000 cela. Et euh, autant de Issoufou, quand euh, l'actuel régime, quand les ministres se succèdent sur les tribunes, c'est dire que nous, on a fait, euh, euh, en trois ans, on a fait plus de classes que, que, que ce que le régime précédent a fait en dix ans. bon, ils sont plus dans la guerre des chiffres, de la guerre du communiqué, que véritablement dans la qualité et dans l'accès mon collègue l'a dit, il a parcouru les, campagnes, il a vu des classes. Mais il faut meubler ces classes, il faut les équiper, il faut trouver des bons enseignants, il faut, favoriser l'accès à, l'éducation, notamment la jeune fille. Par exemple, si vous regardez le taux de scolarisation de la, jeune fille, il est faible. Mon collègue peut peut-être nous, confirmer ça, le taux de, scolarisation des filles, notamment les filles, parce que les filles sont plus nombreuses au Niger. Donc, véritablement, je pense que euh, les différents régimes qui se sont succédés n'ont pas fait de la chose éducative une continuité. Ça, c'est mon analyse propre. Parce que, euh, au lieu de s'appuyer sur ce que le, précédent a fait, pour non, on, on amène une autre politique. Donc, du coup, on a des politiques parcellaires, liés au régime qui ne nous, qui nous avantage pas véritablement. Pour revenir au, taux de scolarisation, certains chercheurs ont, fustigé cette dernière place par rapport à, l'éducation et ont, essayé de, de, mettre dans la balance euh, cette catégorie de Nigériens qui est très arabophone les Macaranta, on a même, il y a eu même des projets qui, avaient pour objectif de, formaliser les, écoles coraniques, mais il a connu un succès mitigé. Mais je pense que dans la région de Maradi et de, et Zander, il y a eu quelques succès. Bref, c'est pour dire que euh, notre politique éducative dans, dans 20 ans, euh, si la tendance se maintient, donc euh, on, on, restera au fond du gouffre ce qu'a dit mon collègue, c'est véritablement, il faut reformuler. Il faut reformuler notre système éducatif pour, pour prendre un nouveau départ parce que euh, ce qu'on a maintenant, c'est carrément, c'est très très déplorable. Donc nous allons y rester pour, pour la démographie. Monsieur Boubacar, euh, selon des chiffres de l'INS, la population du Niger est estimée à 19,11 millions d'habitants et un taux de fécondité euh, de 7,1 enfants par femme. Et donc, euh, si cette tendance-là se maintient et avec euh, la situation de l'éducation du Niger, comment voyez-vous l'offre de l'éducation au Niger dans 20 ans en termes de nombre d'enfants qui vont à l'école et aussi la qualité de, de, la formation. Ok, merci quand même. Bon, non, voici la manière dont je vois la chose. Donc, euh, certes, la population augmente. Qui dit l'augmentation, si vous voulez, de la population à un rythme un peu élevé, dit, si vous voulez, une augmentation, si vous voulez, des différents coûts à la formation pour les Nigériens. moi, je pense que le problème peut ne pas se situer là-bas. Hein. C'est-à-dire, il faut, c'est une volonté politique. Il faut, à ce côté, si vous voulez, essayer de voir, si vous voulez, quelle est la stratégie que le gouvernement peut essayer de mettre en place pour essayer, si vous voulez, de scolariser et de former ces Nigériens. Parfois, j'entends les gens attaquer uniquement la démographie. Certes, la démographie peut être un problème, mais elle, ne elle peut ne pas être le problème. Elle peut être du côté, si vous voulez, de la gestion de l'État. Aujourd'hui, on a vu Qu'est-ce qu'on a qu'est-ce, combien de milliards on a vu, on a injecté dans d'autres, dans d'autres projets. Donc, que les gens cessent d'imaginer uniquement que c'est la démographie qui, a, qui, qui, sera la, le, qui sera le problème du Niger. Il faut essayer, si vous voulez, de voir, de mettre en place. Il faut que chaque régime qui sera en place essaie, si vous voulez, de prendre un secteur pour faire de ce secteur sa priorité. Maintenant, si on a un régime qui vient, qui fait de l'éducation sa priorité, comme de la malle, on voit actuellement, on a combien de milliards qui sont en train d'être injectés, si vous voulez, dans les infrastructures. Un régime vient. Il fait de l'éducation sa priorité pendant une année. On ne dit pas de laisser l'autre secteur, mais de faire de, cette, de l'éducation sa priorité. Il finit. Un autre régime, un autre régime vient. Il prend un autre secteur comme la santé. Il fait de ça sa priorité. Mais ça peut aller. Généralement, quand vous regardez depuis l'histoire du Niger des années 60, quand un régime vient, il veut tout faire en même temps c'est ce qui n'est pas, ce qui n'est pas facile. Je pense que la, démographie, certes, c'est un coût, mais ça peut ne pas forcément être le problème. Il faut aussi parfois regarder comment ce pays-là est géré. Le Niger est un pays extrêmement riche. On a tout. Mais bon, quelle est la politique qu'on est en train d'essayer de mettre en place Et quelle est la politique qu'on est en train d'essayer de faire pour que, si vous voulez, côté agriculture, qu'on atteigne l'autosuffisance alimentaire Il faut essayer de regarder ce genre de choses. Maintenant, c'est difficile que vous demandez à quelqu'un qui, est né, quelqu'un qui n'arrive pas à manger, est-ce que vous pouvez lui dire d'aller à l'école Aujourd'hui, le travail des enfants, c'est un véritable problème au Niger. Le niveau des chefs de ménages, c'est un véritable problème. Si aujourd'hui, on a des chefs de ménages qui sont formés, qui sont alphabétisés, mais il y va de soi. Beaucoup de pays avaient un problème de population, mais ils ont réussi à, dépasser ce problème. Il faut, il faut se référer à l'histoire de l'Inde. C'est le pays où vraiment on a une, population très élevée. Mais quand même, ils arrivent à s'en sortir. Parce que quelque part, il y a une prise de conscience collective qui est là. Il y a une volonté des autorités, si vous voulez, à pouvoir, si vous voulez, amortir ces différents problèmes qui, il faut regarder une période à long terme, peuvent constituer un véritable problème. Puisque c'est que les gens ne savent pas. S'il y a trop de gens qui ne sont, pas formés, c'est une bombe à l'étranger pour le pays à l'avenir puisque c'est ce genre de gens qui sont facilement manipulables. Il suffit d'aller au nord du pays, ou bien à l'est. Il faut regarder ceux-là qu'on incite à prendre des armes. Mais c'est des gens qui ne sont pas alphabétisés. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est là, où il est au chômage. Certes, il est vulnérable, mais c'est pas facile que tu veux le convaincre pour lui dire de prendre des arme contre un pays. C'est pas facile. Donc, il faut qu'on essaie de voir, euh, si vous voulez, comment, si vous voulez, faire de cette euh, démographie un avantage et non un désavantage. Eh, la démographie peut, aussi être, un avantage quelque part et non un désavantage. Voici ce que moi je peux dire sur ça. Là. À vous, Monsieur Bako. Donc, euh, selon vous, quel pourrait être l'impact euh, social si jamais il y a année blanche, les enfants ne vont pas à l'école, euh, ce impact social <clears throat> Mon collègue de, de a, largement tendu sur cette question des, jeunes hum, analphabètes qui sont facilement mobilisables. Mmh pour n'importe quelle cause. Il l'a dit au nord, à l'est, mais ici même à Niamey. Nous, on a mené une étude sur, sur les causes des violences religieuses de, 16 et 17 euh, janvier 2015. 2015 hein, on a vu que les jeunes ont été mobilisés euh, pour des violences publiques au cœur de Niamey. Donc, ce n'est pas seulement euh, euh, au nord et à l'est, mais euh, au centre, à Niamey même, à la capitale, c'est possible. une jeunesse non instruite est, une bombe à retardement, comme il l'a dit, et, c'est un danger pour nous tous, pour nos autorités, mais aussi pour les citoyens, parce que c'est un jour, si ça continue, un jour, les gens ne peuvent plus circuler dans leur voiture ici. Les gens ne peuvent plus dormir tranquille dans leur maison. Parce qu'il y, aura un seuil, quand on va le dépasser, c'est à ça qu'on va arriver. Donc, euh, je pense que euh, la priorité du régime est d'occuper la jeunesse. Et donc, euh, une dernière question pour tous les deux. Comment voyez-vous le Niger dans 20 ans Les solutions seront là ou on va continuer comme ça moi, je suis, moi, je suis optimiste. Hein. Je suis optimiste parce que, attends, le, le, chiffre de 20 millions ne me fait pas peur. Attends, nous avons plus d'un million de kilomètres carrés. Le Niger est vaste. Et on n'est pas si peuplé que ça hein, par rapport à, des pays comme le Nigeria, comme des, petits pays comme le Rwanda qui sont peuplés. Je pense que, la jeunesse, c'est une force, c'est un atout. Il faut savoir canaliser. Il faut l'éduquer, il faut la former. Il faut créer des centres de formation, il faut créer des écoles, il faut, occuper ces... On a la chance d'avoir une population très jeune. Donc une, pyramide très large à la base. Donc c'est un, signe un signe que l'avenir est promoteur parce qu'on aura des bras valides, on aura des intellectuels, on aura des chercheurs qui vont relever. Mais il faut que nous, maintenant, nous, fassions notre travail. Notre travail, c'est quoi je ne veux pas parler de l'agriculture, de l'économie, parce que mon collègue l'a parlé, mais pour l'éducation, c'est de reformer notre système éducatif pour que le plus grand nombre et accès à une éducation de qualité. Voilà. À vous, monsieur Boubacar. Comme mon collègue l'a dit, <laughs> moi aussi je suis optimiste. Et je vois en, 20 ans, euh, si vous voulez, un Niger, euh, si on peut dire, émergent. Pourquoi cela Parce que, bon, moi, selon moi, d'ici 20 ans, et le Niger sera peut-être dans la main de cette génération qui avait étudié, qui, qui date des années 90 et 20 ans, qui avait vraiment connu les véritables problèmes que le Niger avait traversés, puisque comme beaucoup de Nigériens le savent, le calvaire du Niger a commencé des années 87 jusqu'à jusqu'avant la période de la démocratie. Donc actuellement, cette génération qui est en train d'émerger, d'atteindre le sommet de l'État, est la génération qui a plus vécu les véritables problèmes du Niger. Ceux-là qui sont actuellement au devant des affaires, c'est des gens qui ont, si vous voulez, étudié au temps du, du général Sénikoundji. Et en ce sens là tout le monde connaît, sait que le Niger était un pays, si on peut le dire, stable. Les Nigériens n'avaient pas beaucoup de problèmes dans ce sens. Et actuellement, comme c'est une succession de générations, que les autres qui vont venir à l'avenir ne vivent pas ce, ce même problème qui est un véritable, si vous voulez, danger pour le développement d'une nation. Donc, euh, ça aussi, bon, je dis entre griffes, sous réserve, si vous voulez, d'une génération consciente, comme on l'a toujours dit sur les médias. Voilà, il est réel que notre système éducatif euh, souffre et à long terme euh, impacterait sur plusieurs secteurs et donc sur le développement du pays par la même occasion selon les chercheurs et les spécialistes, mais il reste optimiste pour l'avenir de notre pays. Chers auditeurs, pour discuter de la thématique Le Niger dans 20 ans, nous étions avec euh, M. Ali Bako, chercheur du laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et de développement local, à euh, l'ASDEL, et M. Kabir Boubakar Issa, il est l'administrateur de la division des études sur la pauvreté et le développement durable à l'Institut national de la statistique INS. C'est ainsi que prend fin le forum de ce soir. Merci à vous qui l'avez suivi pendant ces 45 minutes et je vous dis au revoir.